Madame, Monsieur, bonsoir. Euh, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Studio Kalangou. Les sujets qui ont dominé l'actualité cette semaine s'articulent autour euh, du 18 décembre, fête de la proclamation de la euh, République. Nous analyserons le message à la nation du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman chani. L'Organisation des Nations Unies reconnaît les autorités de la transition nigérienne. Nous passerons au peigne fin les retombées de la décision de la Commission de vérification des pouvoirs de l'ONU. L'actualité, c'est aussi l'arrêt de la Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle a ordonné vendredi 15 décembre la mise en liberté immédiate de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, et deux autres membres de sa famille. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Abba Chari Arimi, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Abba. Bonsoir Mokhtar. Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. Maimouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Bonsoir Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le forum de la presse sur le studio Kalambou commence dans un instant. Nous le disons en titre, le lundi 18 décembre 2023, le Niger a marqué le 65e anniversaire de la proclamation de la République. À l'occasion, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a livré son premier message à la nation pour la circonstance. Le général de brigade Abdraman Kiani a livré son message la veille au soir. Il est revenu sur le contexte particulier dans lequel intervient la commémoration de la proclamation de la République. C'est notamment l'avènement d'une nouvelle transition depuis le 26 juillet 2023. Le général de brigade Abdraman Kiani affirme que cette transition ouvre de nouvelles perspectives pour le pays. On écoute un extrait de ce message. La création de l'Alliance des États du Sahel est assurément l'aboutissement de cette démarche dont l'objectif est de faire du Sahel un espace de paix et de prospérité. Notre nouvelle organisation travaillera dans le seul intérêt des Sahéliens et pour une Afrique libre et décomplexée. Au plan national, le changement de régime opéré par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a engendré un élan patriotique sans précédent, expression des aspirations profondes de nos populations à la dignité et à la souveraineté nationale. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'est engagé à convoquer un forum national inclusif pour faire le diagnostic de la situation du pays né de la malgouvernance des régimes passés. Il proposera des réformes nécessaires pour le futur avec une feuille de route pour la transition et un programme stratégique d'action pour la refondation de l'État. Vous venez là euh, d'écouter un extrait du message à la nation du chef de l'État. Euh, je sais que vous avez suivi l'intégralité de son allocution. Euh, qu'avez-vous retenu concrètement Merci Mokhtar. il faut dire d'abord que la sortie médiatique à l'occasion du 18 décembre n'a pas été trop longue et trop longue en tout cas. Donc il faut saluer ça aussi et parce que tout simplement il a parlé des problèmes qui nous regardent, qui nous concernent. Il a évoqué euh, l'insécurité. Et dans cette insécurité, il a rappelé qu'aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité sont en train de, en tout cas, de travailler vaillamment et qu'il y a un recul de cette insécurité. Il a également euh, parlé qu'aujourd'hui, grâce à... Euh, euh, concrètement, le recul se constate sur le terrain ah Oui, ça se, ça, se constate sur le terrain, puisque euh, lui-même, il a eu à le dire. Et nous-mêmes, nous voyons que vraiment, depuis quelques, quelques semaines ou quelques mois, on ne parle plus d'attaques sporadiques. Donc, ça veut dire que là, c'est en train de se, de se, stabiliser petit à petit. Et il a également rappelé qu'aujourd'hui, ceux qui ont abandonné les zones euh, sont en train de repartir, de retourner. Les déplacés, internes. sont en train de retourner petit à petit. Donc c'est déjà bon en termes de, sécurité. Il a également parlé que euh, la saison agricole n'a pas été euh, au rendez-vous rendez pour cette année aussi et qu'ils sont en train de réfléchir à comment compenser le déficit, accompagner également les agriculteurs. Et quand on parle d'agriculteurs, on parle également des éleveurs. Voilà, donc il a parlé de cet aspect-là. Il a parlé de quelque chose qui est encore bien. Ça veut dire qu'il a parlé également sur l'aspect euh, de la sociabilité. Il a parlé que les Nigériens doivent s'unir davantage, doivent être aux côtés donc, euh, du CNSP pour pouvoir euh, pour aider le CNSP, en tout cas, réaliser les vœux de ces populations-là. C'est-à-dire les accompagner pour que le CNSP arrivent à faire beaucoup de choses. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de. En tout cas, beaucoup à faire. Et ils sont dans cette marche-là pour pouvoir euh, améliorer le quotidien des Nigériens. Il a parlé de malversation, il a parlé des régimes anciens qui se sont succédés et où il y a eu des corruptions, de la gabégie et maintenant également essayer de voir également de ce côté comment est-ce qu'il faut faire. Moi je me dis qu'il a parlé de patriotisme. Et quand un, chef d'État parle de patriotisme, ça veut dire qu'en lui-même, c'est un patriote. C'est-à-dire qu'il a l'amour de ce pays, il veut faire quelque chose pour ce pays, il veut en tout cas mettre les populations dans leurs droits et il est euh, déterminé, engagé à aller jusqu'au bout de, euh, de son engagement. Et je pense que là, il a parlé comme il a parlé, puisqu'il dit qu'aujourd'hui, <laughs> c'est un plaisir d'entendre les Nigériens disent « la Boussanino, zanchian Donc ça veut dire que celui qui a la Ça veut dire quoi concrètement en français La Boussanino, ça. ça Donc, une affaire, du pays. Oui, une affaire du pays. Ça veut dire que ça, c'est entre nous. Donc il faut tout ce qu'on doit faire, on doit le faire entre nous, on doit se tenir la main, on doit regarder dans la même direction, on doit sauver le Niger. S'il y a quelque chose à sauver, c'est le, peuple, le pays d'abord qu'il faut sauver pour que nous puissions être ensemble et unis à jamais. Merci beaucoup, Mme Diado. Abakari un 65e anniversaire de la euh, République du Niger, euh, marqué par une nouvelle euh, transition. Quelle analyse portez-vous sur l'adresse à la nation du président du CNSP, chef de l'État Bon, euh, <clears throat> j'emboîte le pas à Maimouna. Hein. il a été euh, rarement aussi court. Euh, aussi, il a rompu surtout avec les chiffres. C'est aussi intéressant C'est intéressant parce qu'on est dans un monde pressé, il faut se le dire. Et, et, puis, on est dans un monde du numérique, on est dans un monde de papier court. Euh, vous en savez tous ici euh, quelque chose. Si vous écrivez un papier euh, de plus d'une demi-page sur Internet, vous avez toutes les chances de ne pas être lu totalement. Et donc, je crois qu'ils en ont tenu compte. malheureusement, bon, ça, ça fait qu'on peut laisser de côté des actions, des questions brûlantes de l'actualité. je ne l'ai pas entendu parler de la migration. Or, ils ont posé en tant que CNSP un acte important par rapport à, ce sujet qui concerne nos jeunes, qui concerne euh, les relations de notre pays avec les autres pays de la CDAO. Euh, bien qu'on veuille euh, nous sanctionner, qu'on veuille nous fermer les frontières, eux, ils l'ont ouvert. Et dans le sens noble du terme, c'est-à-dire de nature à permettre à des ressortissants de la communauté de traverser ces frontières de part et d'autre. Ça, c'est un aspect important, je crois qu'ils ont certainement omis de parler. Euh, il n'a pas parlé, vu euh, le contexte dans lequel nous, avons, nous, nous sommes. Il a certes parlé Parler des. Bon, je crois que c'est de sciemment Il a surtout indexé les régimes qui se sont succédés, succédé en matière euh, de, non, de malgouvernance, en matière de détournement, de corruption et tout. Mais n'oublions pas que notre indépendance aussi, dans quelles conditions, je crois qu'il aurait pu dire dans quelles conditions nous l'avons quand même eu et est-ce que nous avons raté notre départ ou pas. Euh, mais aussi euh, les sanctions, pas les sanctions, mais les des, démarches qui nous ont été imposées, euh, telles que le programme ajustement, d'ajustement, les programmes d'ajustement structurel, n'est-ce pas, qui ont bu beaucoup, parce que c'est sous la dictature de, de, des institutions de Bretton Woods, de la Banque mondiale. mais ça c'était derrière nous. Oui, mais quand les régimes se sont succédés, en fait, on n'a pas de tissu économique viable aussi à cause de ça. Et on n'a pas une école qui marche à cause de ça. C'est extrêmement important et ça a permis à des hommes politiques euh, euh, de, d'achever en réalité. On, est, on veut naître de notre cendre, mais on, revient peut-être de très loin. Et j'espère qu'ils sont en mesure vraiment de, relancer. L'autre aspect qui est important, c'est la mise en place. Euh, euh, il ne l'a pas appelé comme ça, mais euh, en tout cas de l'institution, le, le, Forum national. Ça aussi, c'est extrêmement important parce que jusque-là, les gens se posent des questions. Ils disent, le chef de l'État a dit que cette semaine, ils vont sortir, mais je ne l'ai pas encore vu, mais il a promis de sortir un papier euh, stratégique euh, sur cet aspect-là, euh, cette semaine-là. On ne l'a pas encore vu, mais je crois que ça va beaucoup décrisper, ça va beaucoup déstresser les Nigériens. Et il a parlé, euh, là je suis très d'accord avec lui, de la résilience dont les Nigériens ont fait preuve, ont fait montre, sincèrement. C'est-à-dire, on n'a pas vu des Nigériens se déplacer, d'essayer de traverser quelques frontières, que ce soit par la force, tout ça ils ont dignement euh, resté attendre jusqu'à d'abord le CNSP trouve la solution de faire rentrer les produits par le Togo et par le Burkina, mais aussi, malgré la charité, euh, on n'a pas senti ça, euh, c'est quand même la grogne des hein. Nigériens. La grogne des Nigériens. Et je crois que nos voisins, ceux qui nous sanctionnent, en tout cas, ont misé sur ça. Et malheureusement, apparemment, ça peut durer un an, ça ne va pas venir. Merci beaucoup, On va revenir vers vous. Le temps de donner la parole à Ousseini Sajibo. Euh, nous avons entendu le général de brigade Abdraman Tchani affirme, et je cite, le changement de régime opéré par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a engendré un élan patriotique, les deux autres intervenants l'ont souligné, sans précédent expression des aspirations profondes euh, de nos populations à la dignité et à la souveraineté nationale. Fin de citation. À votre avis, quelle action ou décision pourrait faciliter un retour rapide de la cohésion et de la sérénité entre les partisans de l'ancien gouvernement et ceux euh, des nouvelles autorités du Niger Quelle action pour faire revenir les dignités de l'ancien régime Mokhtar, tu poses quand même un problème là. Pas pour faire revenir, pour euh, un peu décrisper euh, l'atmosphère. Décrisper quoi Ce pays a besoin de justice sociale, Mokhtar. Et j'insiste là-dessus. C'est un pays qui a besoin de justice sociale. Pendant ces 13 dernières années, l'injustice a fui ce pays la corruption, l'impunité. C'est pas tout le monde qui a commis l'injustice. Non, je veux dire, mais quand on commet eh, l'injustice, quand on commet des détournements massifs de deniers publics, quand on compromet les biens. Tout cela ne concerne pas tout le monde. Mais le problème, c'est que ça concerne tout le monde parce que ces biens qui ont été compromis, c'est des biens qui appartiennent à l'ensemble de la nation. C'est pas parce que je suis en position de pouvoir que je peux penser que je peux détourner les biens publics. C'est ça d'abord le sens. Alors, décrisper par rapport à quoi il y en a qui sont partis, ils étaient en mission. D'autres étaient là, sur place, ils ont fui. Parce qu'ils s'est reproché des choses, n'est-ce pas Et le problème véritable qui s'est posé, quand ils sont dehors, c'est qui ne se sont pas comportés de manière sage. Vous venez de parler des sanctions mais ce n'est pas tout le monde qui a fui. non, mais ceux qui sont restés, est-ce qu'on les a inquiétés on, on, inquiète, on a inquiété quelques-uns, certainement, il y a des dossiers, il y a des choses qu'ils ont dû poser et qui ont fait qu'il fallait karma, il fallait les priver de leur liberté momentanément. Mais on ne peut pas les laisser. N'est-ce pas C'est un coup d'État, on parle de coup de force. Quand il y a un coup d'État, n'est-ce pas Partout ailleurs dans le monde, ceux de l'ancien régime, il y en a qui vont être inquiétés. N'est-ce pas Le bras de fer qu'on a connu jusqu'ici, c'est parce que tout simplement, quand ils sont allés de haut, ils ont souffler des sanctions qu'il fallait appliquer, des sanctions qui étaient illégales, parce que c'est des sanctions qui frappaient la population nigérienne tout entière. Ce n'étaient pas des sanctions ciblées. Est-ce que vous comprenez Et alors, c'est ça qui a créé ce sentiment de patriotisme parce que les gens ont été atteints dans leur chair. Vous ne pouvez pas me sanctionner parce qu'il y a eu un changement de régime. Je n'ai pas fait de mal à la CDAO n'est pas parce que vos textes ont dit on ne peut plus tolérer des coups d'État que vous allez prendre des sanctions qui touchent directement les populations à la base, n'est-ce pas Alors, à partir de ce moment, les gens ont senti que véritablement, ce n'était plus une CDAO des peuples, mais une CDAO qui était téléguidée parce que on a vu quand il y a eu le coup d'État. Vous aviez aussi le sentiment, vous aussi personnellement, j'ai le sentiment. Quand il y a eu le coup d'État, Macron, qui était en déplacement, revient d'Agdar à Paris et convoque un conseil de défense. À Paris ah, Mais bien évidemment, un conseil de défense sur la situation au Niger. A-t-on jamais vu ça, quelque part, une seule fois Ça veut dire on a vu systématiquement comment la CDAO a réagi. Quatre jours après, une batterie de sanctions le Niger coupe son électricité sur nous. Le 30 juillet. le 30 juillet. Et les autres sanctions sont tombées comme un coup Alors, vous voulez que les citoyens fassent quoi Parce qu'ils pensaient qu'en mettant ces sanctions-là, les gens allaient se. les, comment avait dit, se, soulever. contre le, le CNSP. Mais c'était mal calculé. Parce que le régime en question qui a été évincé, c'est un régime qui n'était pas populaire. Tout le monde sait dans quelles circonstances ce régime est arrivé. À travers un hold-up massif. Il y a eu un procès à la Cour de justice de la CDAO. C'est le, journaliste Hussein Issa qui parle. Mais bien sûr, c'est le journaliste Hussein Issa qui parle. Et je ne mets pas des gants, n'est-ce pas Laisse-moi finir, parce que moi, je veux aussi parler de un peu ce que Tchania a dit oh, oh. qui m'a vraiment séduit. On va, revenir. Non, non, non, non, non. laisse-moi finir, juste deux mots. juste deux allez mots. Allez-y. D'abord, il a fait comprendre à la communauté internationale, la CDAO, il ne va pas fléchir au chantage. Et ça, je suis très content qu'ils le disent. Le chantage, là, on ne va pas m'imposer un quelconque chantage parce qu'on est dans un chantage depuis le 26 juillet 2023. On est dans une situation de chantage où des gens peuvent penser qu'ils vont décider à notre place, nous, Nigériens. On est un pays souverain. Merci beaucoup, Sénissa Joubo. Je vous propose un autre extrait du message à la nation du chef de l'État, Abdraman Chani Ensuite, je reviendrai à chacun d'entre vous pour analyser un aspect particulier. Voici l'extrait. Nous avons fait le serment de mettre l'État dans ses droits. Pas de répit ni de pitié pour ceux qui ont spolié les biens de l'État. Nous avons instruit la Coldef à travailler en toute transparence tout en respectant les droits des uns et des autres. Ousseini Sajibouji, je commence avec vous. Allez-y. Bien évidemment, c'est l'aspiration profonde des Nigériens. Toute cette mobilisation que vous avez vue pendant combien de mois pour faire partie les forces étrangères, la force française Barkhane, c'était lié à ça. Les gens, parce que tout simplement, les gens étaient écœurés de voir comment le pays a été géré, ou c'était devenu carrément une gestion clanique de l'État. Alors, à partir de ce moment, aujourd'hui, le fait qu'ils sortent pour dire, ils prennent l'engagement solennel que quiconque a eu à détourner des biens, parce que euh, le plus important pour les citoyens, d'abord récupérer ce que les gens ont volé. C'est ça, ça appartient à tous les citoyens. Est-ce que vous pouvez concevoir que pendant 10 ans, on exploite le pétrole nigérien On ne sait pas dans quoi l'argent est parti. Est-ce que c'est concevable ça que quelqu'un sorte pour dire qu'il faut laisser en liberté ceux qui ont géré ce pétrole-là Non, il faut qu'ils disent là où ils ont mis l'argent. Pendant ce temps, on endetté le pays, on est arrivé jusqu'à 5200 milliards de dettes, pendant que le pays a des nouvelles ressources. On a compromis l'uranium. mais alors, on, va se développer avec quoi L'aide au développement Merci beaucoup. Les, les, dons, et, comme avait dit, on ne sait même pas comment ça se passe, souvent en cachette. Alors, à partir de cet instant, ce qu'il a dit là, moi je pense que ça montre qu'il est dans une dynamique et personne ne peut, et les gens sont d'accord avec cette dynamique, et les gens sont prêts à accompagner quoi qu'il advienne. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo. Abachari Arimi, le chef de l'État, aborde la question des biens spoliés, vous l'avez entendu. Mm. Pas de répit ni de pitié. Martel, le général de brigade, votre analyse Ce pays, on a connu tellement de commissions euh, que j'en ai peur, moi. Euh, on a connu la commission de la conférence nationale. Crime abus. Crime abus. On a connu. Euh, euh, quel autre on a récemment il y avait euh, la Alcia, il y avait des tas de commissions. Généralement, la montagne a accouché d'une souris. Ça ne sera peut-être pas le cas, mais moi je voudrais une démarche euh, claire. Il y a des dossiers qui étaient encore brûlants le 26 juillet quand ils ont pris le pouvoir parce que c'est des dossiers qui ont fait euh, l'objet d'inspections euh, d'État, des dossiers qui étaient là déposés. Rapidement. Et donc, à mon sens, c'est-à-dire, parce que l'essentiel dans tout ça, je crois que c'est de donner des leçons mémorables en la matière. Je suis persuadé que les questions de détournement de ce pays, juste une transition ne peut pas l'épuiser. Et donc, je suppose qu'on doit avoir au moins des dossiers qui sont là qui doivent être ciblés et décantés. Et décantés, c'est-à-dire des gens sont poursuivis, jugés, le biens de l'État récupéré, jusqu'à la fin, au moins quelques dossiers, si on les voit, on peut être rassuré. Merci beaucoup, Abakar Arimi, Memouna Sur le même extrait, euh, comment garantir un travail indépendant de la COLDEF sans interférence euh, du CNSP, à votre avis Mais lui-même, il a dit. Il ne va pas s'interférer. Il les exhorte seulement à être transparents, que ceux qui, les animateurs de la Coldef, doivent être des animateurs cohérents, des animateurs qui savent que, en fait, <laughs> des animateurs qui savent qu'aujourd'hui, ils doivent travailler pour le peuple, pour, pour les Nigériens. Et si aujourd'hui, il y a une question qui rassemble tout le monde, tous les Nigériens, qui regardent tous les Nigériens, tous les Nigériens sont unanimes, c'est bien sûr cette histoire de, corruption, de gabégie et, tout ce qui, concerne en, fait euh, ce que les anciens régimes ont, eu à faire dans ce pays. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement, moi je ne vois pas le, CNSP s'interférer, mais euh, la seule chose, c'est qu'il a les yeux grands ouverts sur la Coldef. Merci beaucoup à tous. On a terminé une courte pause. Passons à présent au second sujet du Forum de la presse. L'Organisation des Nations Unies reconnaît les autorités euh, nigériennes de la transition comme seul représentant du Niger, a indiqué l'agence nigérienne de presse ANP. Selon la source, la commission de vérification des pouvoirs de l'Organisation des Nations Unies a statué sur cette question le 8 décembre 2023. L'ONU reconnaît désormais les représentants du gouvernement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie comme unique et légitime représentant du Niger aux Nations unies, ajoute l'agence nigérienne de presse Abakari Arimi. Qu'est-ce que la reconnaissance du régime militaire, le CNSP, à l'ONU pourrait changer dans la gouvernance du Niger? Bah, écoutez, il a... Euh, c'était en septembre dernier quand le... il y a eu l'Assemblée générale, de, l'ONU. Notre pays n'a pas été accepté. Euh, c'était le euh, signe. Toutes les deux délégations n'avaient pas été acceptées. Oui, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas. le, le CNSP n'était pas reconnu et l'autre, on sait que le président était dans une situation de détention, donc déchu de son, de son poste. Aujourd'hui, au moins, euh, on, peut, on peut être, s'il y a une conférence des Nations Unies aujourd'hui, le Niger peut être valablement représenté. Mais aussi, c'est l'instance. Euh, est-ce que c'est une avancée C'est une avancée. C'est une avancée parce que euh, aujourd'hui, on peut parler avec l'ONU peut parler avec le CNSP et c'est vraiment la mère des institutions internationales. c'est extrêmement important. c'est comme quand les États-Unis ont donné le temps. Euh, ils étaient les premiers à dire qu'après trois mois, eux, ils reconnaissent euh, le, CNSP. comme étant le représentant légitime du Niger. J'ai vu la francophonie euh, aussi acter dans le même sens. donc, c'est extrêmement important parce qu'on ne vit pas en autarcie, c'est un monde ou qu'on le veuille ou pas, il faut collaborer, il faut échanger, il faut dialoguer avec ceux qui existent déjà. Donc c'est de cela qu'il s'agit et les autres, normalement, sont obligés de s'aligner. C'est le cas de la CDAO récemment et eux aussi, euh, bien qu'ils aient la question, on va certainement revenir là-dessus, qu'ils aient exigé la libération du président Bazoum parce que c'était une plainte, c'est la Cour qui s'est prononcée, mais en même temps, de l'autre côté, ils ont quand même deux jours après leur réunion, ils ont dit qu'ils reconnaissaient désormais euh, le CNSP oui, exactement, le, Donc, le temps du est Point de ce forum. Justement, le temps est donné et je pense que c'est important. L'ONU, euh, même le CNSP, peut aussi rester au niveau de l'ONU, ainsi de suite. Donc, je crois que c'est une très bonne chose. Euh, vaut mieux être reconnu dans ta position euh, d'avoir effectué un coup d'État qui n'est pas reconnu, être reconnu du tout, alors que bon, le peuple, lui, euh, s'est aligné depuis le premier jour de l'affaire. Donc c'est ça qui je pense que c'est une très bonne chose. Merci beaucoup Abachari Arimi, Ousseini Sajibo. Avant cette euh, décision de la commission de vérification des pouvoirs de l'ONU, les autorités issues du coup d'État du 26 juillet ne pouvaient pas siéger comme à aucune activité des Nations Unies. Abachari Arimi l'avait effleuré tout de suite. comment les nouvelles autorités peuvent-elles tirer profit euh, des portes ouvertes du système euh, de l'ONU Ils ont commencé déjà à tirer profit. À partir du moment où on reconnaît parce qu'ils n'étaient pas reconnus. Il y a eu des actes qui ont été posés. Oui, mais bien sûr, l'Assemblée générale des Nations Unies, on a proprement chassé notre pays, notre délégation officielle. On dit vous n'êtes pas reconnu, vous ne pouvez pas siéger, n'est-ce pas et ça, ça a constitué, moi, pour moi, à mon sens, c'était vraiment un coup très dur pour l'image de notre pays. Qu'on dise à un pays, l'Assemblée générale, on parle hein, aux Nations Unies. Alors, voilà, après 4-5 mois, bientôt, on dit on vous reconnaît finalement. Mais les gens n'ont pas le choix. Parce que le véritable problème qui s'était posé dans cette affaire du Niger, c'est que les gens. La France a cherché à. Ce n'est pas, de la fixation autour de la France. Non, ce n'est pas une affaire de fixation. Je parle pas de. Non, c'est pas une affaire de allez fixation. Allez-y, allez-y. parce que c'est ces pions qui étaient au pouvoir. Il fallait Dagdar. Parce que temps, il y a eu des coups d'État. Est-ce que la France se comportait... Vous parlez euh, de celui du Gabon du Gabon. Est-ce qu'ils se sont comportés À présent, nous sommes sur le dossier de l'ONU. Mais je suis sur le dossier de l'ONU, ça a téléguidé de l'autre côté. Ils ont une influence et l'influence là a joué, n'est-ce pas Ça a joué, ça a travaillé au niveau de la CEDAO, ça a travaillé au niveau de l'ONU. Vous n'avez pas vu les actes que le, CNSP a parlé. On a expulsé, on a, on a considéré le, représentant résident des nations du système de la, France a La France a-t-elle usé de son droit de veto Inévitablement, il y a eu des actes dans ce sens-là. Moi, non, je ne peux pas dédouaner parce que a, dans le même temps, il y a eu des événements similaires en Afrique dans des pays colonisés par la France. Il n'y a pas eu les mêmes types de sanctions, le même type de hargne y compris chez eux, les députés ont dénoncé le comportement. Alors, à partir de ce moment, pourquoi moi je vais me gêner Parce que quand même, c'est inadmissible qu'on s'en prenne à un pays, parce que tout simplement, le pays veut conquérir sa souveraineté, sa véritable souveraineté. Est-ce que ça, c'est normal est-ce que c'est normal qu'on soit assujetti Parce que tout simplement, parce que le problème, il n'y a pas eu dialogue. il n'y a pas eu dialogue quand il y a eu cette affaire. Est-ce que les gens ont cherché à prendre la tâche même avec euh, les, autorités militaires mais, mais, Non. comment tirer profit mais Le profit, on va commencer à tirer profit parce que maintenant, on peut siéger dans les instances n'est-ce pas Peut-être ça va décrisper un peu la situation. On va faire revenir le, le, comment ça s'appelle le, représentant résident du système des Nations Unies. Il va revenir prendre son poste et tout. Ça c'est déjà un acquis, c'est une avancée. Maintenant, peut-être ceux qui ont fait le mauvais calcul, comme nos voisins immédiats, ça ils vont. Vous, faites allusion à, à quel voisin Le Bénin, qui a pensé que voisin immédiat, lien de parenté et tout et tout, qui a pensé que c'est lui qui va être plus dur. Alors, ils vont récolter les pots cassés. Parce que tout le monde est en train de revenir. Les Allemands sont arrivés avant-hier. Accord de défense, accord militaire, ils ont signé. Les, les Américains sont là. Eux, ils ont dit non ils ont suspendu, mais ils ont reconnu par la suite. Merci beaucoup, Hussein Sajibo. Euh, Maïmouna Diado. après de cinq mois de bras de fer euh, existe euh, l'administration Bazoum Welcome Autorité du CNSP à l'ONU. Comment l'opinion publique du Niger accueille-t-elle la reconnaissance du régime militaire du général Abdramane Chani comme représentant officiel de Niamey à New York Mais ça a été bien accueilli. Parce que, en fait, avec tout ce que le CNSP a subi, durant, tu l'as bien dit, durant ces, ces, cinq, euh, oui, ces cinq, mois, cinq mois, moi je me dis que, l'ONU reconnaît que c'est vraiment le CNSP aujourd'hui l'ONU reconnaît que le, le CNSP est légitime. Et donc moi je me dis que c'est bien, parce que tout simplement, non seulement vous ne pouvez pas dire que vous ne reconnaissez pas euh, les, dirigeants d'un État parce qu'ils ont fait un coup d'État et vous allez, vous voulez peut-être continuer dans une coopération avec ce pays, mais dans ce cas, il faut négocier en principe avec les dirigeants de ce pays. Mais si vous ne reconnaissez pas les dirigeants de ce pays, ça serait un peu difficile. Moi, je me dis que l'ONU vient d'ouvrir une grande porte pour les autres institutions internationales et petit à petit, elles vont revenir à reconnaître le CNSP. Parce que si tu ne reconnais pas le CNSP, c'est comme si aujourd'hui, tu n'as rien à voir euh, du point de vue coopération au Niger. Mais c'est bien évident. Et moi, je me suis dit que euh, de l'autre côté, le CNSP s'est fait respecter. Ah bon euh, Le CNSP s'est fait respecter. C'est parce que le CNSP s'est fait respecter aux yeux de l'ONU que ça que, y a eu un changement. À quoi est-ce que ça profite euh, pour la transition Mais ça profite, c'est ça, là, ça profite beaucoup pour la transition parce que je dis que c'est une porte qui vient d'ouvrir. C'est une grande porte qui est là. Et quand on parle de l'ONU, quand même, ce c'est pas une petite institution. Et ça permettrait aux autres institutions de, se rappliquer pour pouvoir venir et puis euh, suivre la marche, hein, la marche de la reconnaissance euh, du CNSP. Même le CNSP tarde à clarifier les axes principaux de la transition, y compris un chronogramme. Euh, comment les lignes peuvent-elles bouger euh, il a dit, je pense, hein, dans son message à la nation, qu'ils sont en train de travailler pour qu'il y ait un forum national qui va regrouper euh, tout le monde, tous les Nigériens. Et ensuite, c'est à partir de ce forum qu'ils vont euh, déterminer le, chronogramme, chronogramme excusez-moi, pour les, la, durée la de la transition au Niger. Je pense que là, comme il l'a dit, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore, euh, peut-être, euh, euh, ils sont en train de, de, de, travailler là-dessus et nous allons attendre jusqu'à ce que peut-être qu'ils ils finissent de réfléchir à comment est-ce que le forum là doit se faire. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. La Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a ordonné la mise en liberté immédiate de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, et deux, autres membres de sa famille. Décision judiciaire rendue le vendredi 15 décembre 2023 à Abuja, au Nigeria, à son siège. Pour rappel, le 26 juillet 2023, les militaires du CNSP ont déchu le président président Mohamed. Ils l'ont assigné en résidence avec euh, son épouse et son fils. Sajibo, vous avez parcouru la décision de la Cour de justice de la CDAO. Quel point saillant avez-vous de cet arrêt rendu le 15 décembre 2023 D'abord, moi, je ne crois même pas ni à la CDAO, ni à sa Cour, ni à lui et moi, ni à sa, sa Cour de justice. Vous ne vous croyez pas Non. C'est des instruments qui n'ont aucune indépendance. On, a l'impression que c'est juste des instruments de placement. Non, pourtant, cette institution judiciaire a fait quand même. A euh, fait quoi A, fait quoi a délibéré ah, dans le dans, je suis Désolé, moi, tu sais, mon principe, mon principe, mon opinion en matière de démocratie, la justice doit être au-dessus de tout, y compris des chefs d'État. La justice doit être au-dessus des chefs d'État. Oui, mais, quand une justice, on dit la Cour de justice de la CDAO, oui, Cour de justice de la CDAO. est-ce que, l'épouse euh, de l'ancien président de la République et son fils... Tani, Tani a réglé le problème dans son entretien. Dans, son entretien, il a dit, il a ordonné que la femme et l'enfant puissent s'en aller. Le, 48 euh, heures après le coup d'État Oui, bien évidemment lui, le concerné, le principal concerné dit, lui, il ne va pas se séparer de sa femme et de son enfant. Alors, il va faire quoi selon son propre gré que euh, sa, sa famille est gardée. Oui, bien sûr, celui qui a décidé que sa femme et son enfant soient avec lui, en situation de détention, n'est-ce pas Ce n'est pas la faute au CNSP. Alors, vous, vous en avez les preuves Mais non, mais de, quelles preuves veux-tu que je dispose Mais la preuve est patente, c'est sa parole. Pourquoi il va venir mentir au Nigeria je ne vois pas dans quel intérêt il va mentir aux Nigériens. Il a expliqué, c'est une confidence, il a, il, a, il a libéré, mais le monsieur, il dit que sa femme ne quitte pas, son enfant ne quitte pas, il veut être en compagnie. Maintenant, pour ce qui est de la décision même, je me suis posé, cette Cour de justice de la CEDAO, là, les juges là, ils sont même sur quelle planète Parce qu'ils sont censés savoir que la CEDAO a finalement reconnu la junte. Maintenant, dire il faut libérer Bazoum et le rétablir dans son fauteuil présidentiel. Je me suis dit, mais, ils sont tombés de quelle planète pour penser que cette décision-là va être exécutoire. Et ils vont jusqu'à donner un délai d'un mois. Parce que qui va respecter ce délai-là Il peut faire quoi Au-delà d'un mois, il peut faire quoi Est-ce qu'on a déjà vu une seule fois Parce que la, la différence ce coup d'État-là, c'est un coup d'État qui a reçu une adhésion populaire rarement inégalée. Ah, ah, au Niger ou dans les autres pays de la sous-région si, si les gens, si c'était un régime populaire, moi je suis convaincu que les Nigériens allaient sortir et ils allaient continuer à mener la lutte et la résistance. Vous avez vu comment de manière spontanée les gens sortent tous les jours pour faire partir la force française. Pendant plus de deux mois, des gens dorment ici à l'escadrille. Alors, quand on voit des choses comme ça et que les gens de l'extérieur ils ferment les yeux, c'est pas qu'ils voient pas, hein. Ils ferment les yeux comme si ça, ça n'existe pas. Y compris, on dit que c'est du folklore. C'est ça qu'on a dit. Mais le folklore a pu faire partie la force Barkhane. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo. Maimouna Diado, la décision de la Cour de justice euh, de la CDAO intervient à un moment où l'institution sous-régionale a enfin pris acte euh, du coup d'État euh, survenu le 26 juillet 2023 au Niger. Elle a décidé de suspendre le pays de tous ses organes décisionnels jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Comment comprenez-vous cette ambivalence <laughs> Moi, je, ça m'a fait même rire. Hein. La décision de oh, euh, la oh, Cour de oh, justice de la CEDEAO Honnêtement, ça m'a fait rire parce que euh, c'est le voleur qui crie au voleur. Quand, quand, on part en arrière, euh, les quelques années passées, on n'a pas eu de, président qui a été sauvagement tué ici. Ah. Par coup d'État, si vous faites allusion au général, général, Ibrahim Barmenassara. Sa famille avait porté plainte devant la Cour de justice. Mais sa famille a eu gain de cause devant la même Cour. Hein. Quel, gain de cause Quel gain de cause du moment où les présidents, les régimes qui se sont succédés ont refusé de répondre à cette ah, Cour-là. Oui, de mettre la famille de Barré dans ses droits. Pourtant, c'est la Cour de justice de la CDAO. C'est la même Cour. C'est la même Cour. Donc, on revient encore. On demande, c'est la même cour où Maman Ousmane avait porté plainte pour qu'on rétablisse, oui, oui, pour qu'on le, rétablisse. En tant que qui En tant que président, puisqu'il dit que c'est lui qui a fait mais, les élections. Mais, ce n'est pas la, CENI qui a dit qu'il a gagné. J'arrive. Ce n'est pas non plus la Cour constitutionnelle. J'arrive. La Cour de la CDAO sait très bien, très bien comment les élections se sont passées. La Cour de la CDAO a refusé oui, à vous, savez comment les élections se sont passées Je sais très bien, Mokhtar. Nous sommes des journalistes, nous savons ce qui, se passe, mais on a des droits de retenue aussi. OK. On arrive, maintenant, On arrive maintenant au niveau de, Bazoum. Non seulement la CDAO refuse de reconnaître la, le au pouvoir, le CNSP, et bizarrement, parce qu'il y a eu une première tentative oui, oui, au niveau donc de, de, la justice de cette CDAO, qui avait d'abord dit de libérer Bazoum et sa famille et de rétablir Bazoum. On revient, la CDAO revient cette fois-ci pour dire qu'ils reconnaissent l'agent au pouvoir. Donc ils veulent quoi Merci Parce que c'est un jeu en fait. Merci beaucoup. C'est un jeu. donc, donc en reconnaissant l'agent au pouvoir, euh, peut-être que ça peut alléger les choses au niveau donc euh, de la justice de la CDAO et que la gente va se décider un beau jour, bon, puisque c'est comme ça, relâchons euh, Bazoum, puisque Bazoum n'est même pas en prison. on a pris un, président, Feu tangent, on l'a pris, on l'a mis, à, merci, on amené à Kolo en prison. Il a fait a plus, presque un an ou un an enfermé en prison. Merci beaucoup, Mme Gado. il n'a pas porté plainte au niveau de la justice Arimi, la, Cour de justice de la Cediao a également demandé que Mohamed Bazoum soit rétabli dans ses fonctions. Votre analyse Bon, dès lors que la même institution, en fait, dont cette cour-là dépend, euh, a décidé de reconnaître la junte, euh, je crois que la décision tombe. En tout cas, cette décision de rétablir le président Bazoum... C'est un arrêt d'une institution judiciaire. Oui, oui, mais c'est tombé dès lors qu'un euh, un régime d'exception n'est-ce pas, issu d'un coup d'État a été reconnu. Je crois que ça, s'est réglé. Mais ce problème de justice, en fait, c'est global. Hein, le président, dans son allocation, dans son discours d'allocution, euh, a parlé de ça. Euh, c'est depuis des décennies qu'on est confronté. Et on a un problème général en Afrique, c'est que euh, nos juges et nos politiciens vraiment nous rendent la tâche extrêmement difficile parce que comment ça, c'est généralement les politiciens qui les désignent notamment pour les, membres de, la cour. de, la cour. voilà, et voilà le les problèmes auxquels on est euh, confronté par la suite. Bon, est-ce qu'on ne doit pas trouver des mécanismes qui doivent nous permettre vraiment de régler ces questions euh, Quel, mécanismes mécanisme, par exemple euh, Écoutez, on voit très bien ce qui marche aux États-Unis et ailleurs, n'est-ce pas Les juges qui condamne, y compris euh, des présidents, qui condamne, euh, qui donnent raison, euh, même quand on a des, des, des, différends avec un chef de l'État ou un président démocratiquement élu. ce n'est pas le cas chez nous. Mais je pense que c'est à cela qu'on aspire, qu'on aspire et on doit pouvoir arriver. Sinon, euh, vous savez, même la justice nigérienne a donné raison à l'enfant de Bazoum et il pouvait quitter pour s'en aller, vous vous rappelez, n'est-ce pas euh, L'enfant n'est pas parti. Euh, pourquoi, pourquoi selon vous Bon, ça, vous, avez dit que l'ancien président voulait veut que son, son enfant. je ne sais pas, mais en tout cas, le, le, fait du est chef de l'État, Chani Abdraman, qui l'a dit, fait dans une interview à Le petit il a été question qu'il ne peut pas aller étudier parce qu'il était séquestré. La justice du pays l'a libéré, mais on ne l'a pas vu encore quitter. La, donc, ça, c'est en fait la réalité, c'est que le CNSP est reconnu, n'est-ce pas Tôt ou tard, le président Bazoum sera euh, libéré et il ne va malheureusement pas, sauf suite à d'autres élections, cette fois, il ne va pas venir occuper le poste. Abakar Yarimi, à présent, à présent 30 secondes, quel avenir pour la démocratie au Sahel euh, Écoutez, de beaux jours, certainement, euh, parce que le peuple aspire à ça, euh, parce que nous avons déjà fait 30 ans de chemin à vouloir aspirer à cela, et tout le monde parle de transition non, personne ne parle de l'éternisation des régimes euh, militaires qui sont ici en place. Et donc, et à chaque fois, euh, contrairement à beaucoup, moi je pense que, y compris les coups d'État qui se font au Sahel, font partie du processus démocratique. en toute chose, il y a des hauts et des bas. Chaque fois que le, euh, la, démocratie touche les bas, c'est les coups d'État qui viennent, mais c'est pour relancer et j'espère que la machine qui sera relancée dans notre pays est allée pour vraiment toujours. Merci beaucoup, Abacharemi. Rapidement, Mme Diado, quel avenir pour la démocratie au Sahel en 30 euh, secondes La, démocratie au Sahel, euh, moi je vois que ça sera une démocratie pour les peuples et non une démocratie pour certains individus ça sera une démocratie à l'africaine. Ça ne serait pas une démocratie qui serait téléguidée. Ce sera une démocratie où les pions, cette fois-ci, seront, les responsabilités seront partagées. Ça sera une démocratie où tout le monde va se retrouver dedans. 30 euh, secondes, quel avenir pour la démocratie au Sahel La démocratie va revenir. Mais il faut mettre les choses en, place. Parce que jusqu'ici, ce n'est pas la démocratie en fait. On va faire des élections, on va aller voter, quelqu'un vole parce qu'il est au pouvoir. Il se maintient au pouvoir. Il utilise la force publique, il utilise la justice. Il faut qu'on crée une véritable démocratie à l'africaine où ce n'est pas quelqu'un qui dicte qui doit venir être président à la tête du pays. Il faut qu'on mette fin à ça. Nous savons ce que nous voulons et qui nous dicte nos politiques publiques. Il faut qu'on chasse ce qu'on veut. Si ça doit prendre des années pour qu'on revienne faire une bonne démocratie, moi je ne vois pas d'inconvénient. Mais faire des élections tronquées où quelqu'un va venir voler tout le monde sait qu'il a volé. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative, Hussein Issa journaliste indépendant, et Memouna Diado, journaliste indépendante. Merci aussi à vous tous, chères auditrices, auditeurs téléspectatrices, téléspectateurs et internautes pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à Hausa et dimanche celui en Zarma. Si vous nous suivez en cours de diffusion, pas de soucis. Rendez-vous sur notre site internet www.istudio et sur les réseaux sociaux. Merci à la technique côté son assurée par Amina Hassan à la réalisation Seini Isaka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.